ami de la FADA, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, la FADA s'est installée sous un arbre bien frais car nous parlons problème de location. À Niamey et dans d'autres régions du pays, les jeunes célibataires, hommes ou femmes et des femmes divorcées peinent à trouver un logement à louer. Motif principal, des propriétaires immobiliers préfèrent donner leur maison ou appartement en location à des personnes mariées. Du coup, certains jeunes se trouvant assez matures pour quitter le toit familial n'arrivent pas à négocier un logement à leur goût. Des femmes vivant seules se voient opposer un refus catégorique. La fada de ce soir braque son projecteur sur l'accès difficile aux maisons de location pour célibataires et divorcés à Niami. Nous voulons connaître les causes du refus des bailleurs. Et pour en parler ce soir, nous recevons M. Issa Kajibo, propriétaire immobilier. Bonsoir, M. Issa. Bonsoir, madame. Et nous avons aussi Husseini euh, Mamman Maman Salissou, alias Tiken. Il est étudiant Bonsoir Tike. Bonsoir. Nous avons également mademoiselle Gotha Grace Beati, célibataire sans enfants, étudiant de nationalité étrangère vivant à Niamey. Salut Grace, ça va Coucou. Je suis Samira Rafi pour la présentation et à la technique c'est Kader Tchembianou. To abokai matasa masu sauraron mu yau a cikin fadar tamu da ta yada zango a nan karkashin bishiya dab da studio Kalangu za mu tattauna ne kan abun da ya sa ba a baiwa matasa wato mazansu da matansu hayar ɗaki ko da sun balaga. A cikin wannan lamarin ana iya zana matsaloli kamar lofetke makwabtaka da tuzuru ko matar da bata da aure yana lalata tarbiyyar yaran makwabta. me qu'est-ce qui le prouve Dans la première partie de notre FADA, concentrons-nous d'abord sur la situation matrimoniale des clients, l'un des critères sur la table des négociations de location d'une maison. Avant de donner la parole à nos invités, écoutons le témoignage d'une femme divorcée sur son expérience difficile dans les démarches locatives. Je suis mariée divorcée, ça fait un temps et je, vis seule et je suis une commerçante aussi. Ah, pour le problème de logement, c'est un problème ici au au Niger, la femme euh, divorcée n'a pas droit à une maison. Soit tu restes dans ta famille, soit euh, tu t'exodes. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience Qu'est-ce qui s'est passé Oui, rien que l'année passée, eh, j'ai pris une maison eh, vers Basura et j'ai commencé à vivre dedans. Et le, locataire se plaint pour dire qu'il voit une femme célibataire dans la maison qui n'a pas de mari et ne me voit pas avec un homme. Et donc euh, du coup, euh, je dois quitter. Ils m'ont remis euh, mon deux mois. La caution, ils ont gardé. J'étais obligée de rentrer chez moi à la maison. Des fois, quand tu divorces, tu reviens à la maison, c'est un problème. À euh, un certain âge, on veut être indépendant et libre et autonome. Donc, j'étais obligée de, quitter même le Niger. Alors voilà, c'était là le témoignage na mata de bata da aure ko in ce et je commence avec vous, monsieur euh, Isaac Jubo. Tout à l'heure, je vous ai vu sourire euh, pendant le, témoignage. <laughs> Qu'est-ce qui vous a fait sourire déjà Merci beaucoup. Ici au Niger, nous sommes confrontés à des, des, obligations, bien à des, lois islamiques qui, n'imposent, qui, ne permettent pas à vraiment la femme divorcée de rester euh, à l'écart ou bien d'aller prendre une maison en location, rester seule. Parce qu'il y, a plusieurs contraintes. Si elle est divorcée, elle a, elle a ses enfants-là, c'est vraiment facile pour elle de gagner une maison en location que de euh, comment un, célibataire comme ça qui n'est jamais marié. Parce qu'elle, elle, on peut penser que vraiment elle est déjà mature, elle peut vraiment se contrôler, délaisser tabago Grâce Beati, je reviens vers toi. Et que penses-tu de ce témoignage que tu viens d'écouter Bon, pour moi, comme je suis célibataire, je ne suis pas encore mariée, mais elle a dit que cela l'a poussée à quitter le pays et tout. Moi, je pense que ce n'est pas, pas normal. To, Malantiki cikin zan dawo ta bangaren ka, kai kuma ina in Le refus opposé aux clients eh, s'applique-t-il aussi aux hommes célibataires wato ku matasa Ok, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est une réalité. On constate des difficultés liées à cela. On sent qu'il y a des difficultés liées à plusieurs personnes. Nous, pour nous les jeunes, on estime à un niveau, un niveau de trans d'âge, rester chez soi, c'est c'est vraiment pas assez responsable. Nous allons revenir euh, vers vous, Monsieur Isaac Jibo, pour savoir pourquoi. Et du coup, je voudrais savoir, quels sont vos critères euh, pour les critères euh, vous savez pour donner une maison en location il faut d'abord savoir à qui est-ce qu'on loue sa maison vu euh, le cas social qui est là nous prenons l'exemple des célibataires. dans une cour des célibataires, où il peut y avoir des hommes mariés et des célibataires moi je pense que religieusement et socialement c'est pas possible parce que vous imaginez dans une, même, laisser votre, votre épouse dans une même cour avec des célibataires parce qu'on a, on a demandé on a demandé à ce que donc donc euh, moi je pense que tout ça là c'est des c'est des contraintes. En tout cas nous Amma il y a des maisons où c'est des célibataires où qu'on qu loue uniquement aux célibataires. Wannan dai c'est possible. On peut laisser aux célibataires, mais ça aussi c'est sous, sous condition encore. ne irin ka'idodi? Ka'idodin nan ya kamata a ce mutum da ya shiga cikin gidan an san shi. Ko, ko ba san shi ba ya kawo wani ya kawo shi da an sani. Mm-hmm. Parce que mutum da bai da mata, kun mm-hmm. ba shi gida vous, louez votre maison. Le célibataire, là, lui, il peut quitter la maison à tout moment. Le célibataire peut rester dans une maison 2, 3, 4 mois. Mhm. Vous, vous allez le, comment on dit, le voir comme si euh, mhm. Donc, euh, il y a Samuyan Abia. Mhm. Mais il y a La nuit, il peut prendre sa valise et quitter votre maison. Vous ne savez pas à qui vous dirigez. akwai eh, wani kama a ce pagai mhm. da suke yi zan dawo ta bangaren ka cikin ka sha abin da malam isa kai gai ya ce jenom dai waɗanda ba basu da aure fagai suke yi gashi gashi koko kwatsam da dare sun tattara nasu ya nasu su bar gida ba su biya haya ba kai mi zaka ce biskan wannan il s'accentue surtout sur la religion mais au-delà de la religion c'est aussi les bonnes mœurs mais je pense que ils doivent tenir compte de plusieurs paramètres ya kamata su san da cewa yau duk matashin da ya tashi malalata gudu non non non souvent c'est la responsabilité qui pousse la personne à se dissocier n'est-ce pas de sa famille ça c'est un de deux c'est au-delà moi par exemple j'ai étudié à l'université j'étudie à l'université Abdou Moun je connais beaucoup de jeunes qui quittent l'intérieur du pays qui ne connaissent absolument personne en dehors de ça, il y a nos chers amis qui nous viennent des pays étrangers. Ils ne connaissent absolument personne. Et c'est des jeunes. Est-ce qu'il faut les laisser dans la rue On et va revenir respecter sur ce droit-là parce qu'on a un son qui arrive dans quelques petites secondes euh, ou minutes, je vais dire, pour nous expliquer euh, en quoi il consiste. Mais pour le moment, je vais, me, je vais retourner vers toi, Grâce. Et Monsieur Issaka, tout à l'heure, il disait que lui, dans ses maisons, il ne peut pas déjà c'est <laughs> peut-être 20% de chance qu'il donne euh, ses maisons en location à des célibataires. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça Non, moi, ben, je dis que ce c'est pas tous les célibataires qui font ça. Déjà pour moi, je, ne suis pas du pays, je viens d'ailleurs pour étudier, d'ailleurs je suis une étudiante. Donc comment je, vais louer la maison et puis quitter Et puis il a bien dit qu'ils étudient les personnes qui viennent louer. Voir ma tête, je, je, je ne ressemble pas quand même à une personne Je qui... suis race. <laughs> non. Je suis, je suis une étudiante, donc vraiment... Je... Même les gens mariés, ils peuvent quitter. Ah, ça, en tout cas, oui, le oui, débat ne se pose pas. Je prends ma voiture, je fais ma valise et Il y a un monsieur ça qui veut réagir C'est la bonne foi, Mais hein, ça. Hein, ou Mais la Comment foi. cikin intervention ina précédente intervention ina j'ai laissé le conditionnel et puis c'est ma vision aussi Comment je peux pas parler au nom de tout le monde moi je eh, ni na hodi kaman abun de yake samu, mu comment dauki kaman matakin kahin ba gidajen mu location mhm, mhm. il y a des célibataires qui sont plus matures que des, des, des, des hommes mariés Hein? Ça, je ne peux pas le nier. Sinon, vraiment, maintenant, là, le problème de location pour les célibataires, seulement si, eh, comment on de son eh. et dans la ville et autres là, c'est vraiment là-bas que le problème, c'est là-bas que le, le, problème se pose mm, mm, mm. généralement. Et là-bas aussi, les gens, vraiment, ils mettent en avant le côté eh, social, religieux, comme religieux, social. comme l'a dit tout, tout à l'heure mon, camarade. Donc, c'est ça, en fait. Thomas de la Grâce, je reviens vers toi. Tu es célibataire sans enfant, étudiante étrangère ici euh, à Niamey, tu vis là. Donc euh, raconte-nous euh, ta première expérience par rapport aux locations immobilières. Ça n'a pas été facile car j'ai loué vers ici. C'était des célibatériums. Vraiment, le gars, il nous a serrés. Mhm. Parce que c'est des célibatériums. Normalement, c'est pour les célibataires. Et puis, on est allé là-bas, il a fait rentrer un, un couple. Nous, on ne peut même pas être à l'aise il, nous dit de ne pas ramener les garçons à la maison. Même si on n'a pas de copains, il y a nos frères, il y a nos cousins, peut-être il y a nos amis qui sont là, qui peuvent même pas venir nous rendre visite juste parce qu'on a loué maison. Maison où on, paye argent, on paye nos propres factures et tout, on ne peut même pas être à l'aise dedans. Ça a été un peu dur, mais bon, on n'a pas le choix. Vous êtes resté ou bien vous êtes parti On est resté quand même quelques temps puisque on n'avait pas encore un autre endroit où aller. maintenant ça va mieux to masha Allah kenan duk wanda aka yi kowa zai samu ta yadda zai biya bukatar shi duk da matsala yan uwa masu sauraron mu aminan mu na fada za mu je mu saurari yan matan studio Kalangu mu ji da mi suka zo mana da shi cikin rubric House in ta mu ta yau Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. C'est samedi dans notre rubrique rose. On plonge dans l'univers des parfums faits ce qu'on appelle les humra. Préparez-vous à être transporté par des senteurs qui vous feront voyager jusqu'à l'Est. Vous m'aurez dit en temps normal. Mais c'est plutôt honneur que nous allons nous rendre aujourd'hui. Pendant mon séjour à Agadez, Memouna El Hajrabi, une entrepreneur d'Agadez a bien accepté de m'accueillir. Elle est spécialisée dans la création de toutes sortes de senteurs fait maison. Allez, on tend l'oreille et on découvre ce qu'elle partage avec nous. El ina zama na garin agadas masallacin sardauna gaskiya alhamdulillah ni dai gaskiya na kai shekara ashirin ina harkar turare shi humran nan yaya ake yin shi mi da me ya kamata a hada a ciki humra wanga kake samu farce kake samu farce akwai dolar akwai basma akwai wancan hafif ake ce mishi to ni dai gaskiya duk humrar da nake ta dolar ce dolar kuma babban turare ne duk mace wadda dai take sa turare da an kiran mata dolar ta san babban turare ne to shi shine nake yin shi gaskiya Kano nake samu shi Kano nake samu shi yan cadikin nan da wajen Maiduguri nan su suke kawo shi gyare nake sayan shi sai ki samu akwai wani turare da ake ce ma Rovdar to shi zaki samu in dai kina son turare dai mai daɗi rafdar zaki samu sai ki samu kamar litur guda shi wancan garin humra to ban san daidai yadda mutum yake son ta ba shine dai zaka samu kama in kaɗan zaka yi ka samu litur guda na rafdar ka samu kamar kulli shi kullin ana da shi kamar ka biyu da rabi rabi na kana sa kulli biyu in kuma kana da karamin hali kana sa na ɗari biyar to in ka sami sai ka samu wanga a ba rai daɗi ka samu wani ana na ana ci mishi alhaji abdullahi akwai alhaji ibrahim akwai su dai kaloli kaloli wanda ake sani da za su sada shi eh duk sunayen turare akwai alhaji abdullahi akwai alhaji ibrahim akwai abarai daɗi mhm. duka ana sa su cikin humra in kana suka aika samu garin sandal sandal shi ma yana nan ana kullin shi ka dala ɗari sadifan dai da yanda ka iya zaka sa in na dala ɗari zaka sa in na jika zaka sawa kana iya ka sa duk sai ka hada su wuri guda ka samu wani dan budanka ko wata kwalba babba duka ka gama su ka buga ka buga ka buga ka buga kuma ita humura ba a lokacin da kai ta ba a lokacin nan zaka shin dadin ta ba humura har wata guda take ka buga ta tana aje lokacin nan zaka fiddo ta kuma humura in kana in son samu ce in ka buga ta ka aje ta cikin roba ka nemi irin gwangwani wanda ake fidda turaruka wa da ake kawowa daga masar to su ya kamata ka zuba ciki ka aje saboda ita da ka aje ta ciki abu roba kamar kazini take yi wari take yi yanzu ga cadiyan duk cadiyan kin da zaki gani ba ta aje humurar cikin roba sai dai ta yi saida ta cikin roba an ba ta aje ta cikin roba kuma haka turaren wuta ma ba aje shi cikin abu na roba sai dai aje shi cikin abun kwalba ko abun gwangwani haka fatti cikin shi ake aje shi to ita kuma humar ana sai in kika buga ta a lokacin nan ba lokacin nan zaki shafa ta ba kuma ba a lokacin nan zaki saida ta ba sai ki aje ta sai wani lokaci kamar in ana son ta daga ma ta samu ko sati biyu aje Voilà les filles, en espérant que vous avez tiré profit de toutes ces recettes que Maimouna El Hajrabe a bien voulu partager avec nous. Le fameux lait de Muni, ça vous dit quelque chose Eh bien, rejoignez-nous demain à la même heure pour la recette. Amis jeunes, c'était là la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission Tous à la Fada qui s'est installée sous l'arbre derrière le studio Kalangu. Aujourd'hui, nous parlons des problèmes d'accès aux célibataires au logement. Abordons donc euh, maintenant la deuxième partie de notre émission et nous allons parler des autres difficultés auxquelles euh, se butent les jeunes célibataires en cherchant un logement, la caution et le loyer anticipatif. Écoutons d'abord euh, ce que dit la loi sur le sujet. Voici euh, l'éclairage de maître Abdulrazak Mahazou, juriste. le droit au logement, c'est un droit fondamental qui est reconnu et garanti par des instruments juridiques nationaux et internationaux. Au plan international, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et au plan national, il y a l'ordonnance de 96 portant le code des beaux à loyer. Alors voilà, nous avons écouté euh, le juriste. Je continue avec toi grâce à euh, Beati. Et est-ce qu'on vous exige une forte somme pour la caution ou une avance sur le loyer pour pouvoir obtenir un appartement Oui, quand on vient euh, pour déjà les renseignements, mhm. tu, trouves la personne beaucoup plus. On, donne, comment on appelle Les, démarcheurs. Uh-huh. C'est beaucoup plus les démarcheurs parce que c'est pas facile de nos jours de trouver le des maisons, oui, et puis les propriétaires aussi rapidement. Donc on mhm. cherche euh, les démarcheurs. Quand on les trouve, eux déjà, on leur doit. Si s'ils trouvent la maison, mhm. ils vont ils vont chercher la maison. S'ils trouvent la, la maison, ils vont ils vont t'informer que voilà, il y a telle maison, tel endroit, si ça te plaît, si ça, ça retient ton attention, tu mhm. viens visiter. Quand tu viens visiter, déjà, tu leur dois de l'argent pour leur déplacement. Pour la visite Oui, juste pour la visite, tu, tu leur dois quelque chose. Ok. Après ça, si tu acceptes de, de, venir dans la maison, mhm. d'abord la caution et puis deux mois peut-être de, de, loyer avant, en avance. Et puis tu dois encore de l'argent aux démarcheurs. Parfois, il y a ceux-là qui demandent 15 000, ça peut aller jusqu'à 30 000 pour le démarcheur. En tout cas, c'est pas facile, mais pour les étudiants, surtout les, locations en ville, ce c'est pas mm. facile. C'est pas facile de trouver euh, les maisons facilement. Donc, quand tu trouves comme ça, tu, es obligé de prendre, en fait. Tu peux pas refuser, donc tu es obligé de prendre. On fait avec. Donc, et si, par exemple, le démarcheur te trouve la maison, tu as l'argent de la location et la caution et tout, mais tu n'as pas de quoi lui donner. Comment ça se passe Ça veut dire que tu dois forcément annuler le contrat Le bailleur ne va pas accepter. On, dirait c'est des conflits. Bon, c'est comme s'ils si ils s'entendent. Oui. Donc, quand tu ne payes pas l'argent du démarcheur, tu ne peux pas avoir accès à la maison. Le bailleur peut te dire non. Mhm. Quel est le montant de la caution et le nombre de mois de loyer anticipatif euh, d'un côté exigé en temps normal euh, En fait, pour, ce, pour cela, moi je pense que ça dépend des, des bailleurs. Parce qu'il y a certains bailleurs qui ne demandent même pas la caution. Ils vont juste te demander de donner deux mois de, loyer, ou, bien un mois. Il y en a qui ne demandent même pas de, loi, de, caution, ils ne demandent rien. À, il faut respecter seulement son engagement. Mhm, mhm. Mademoiselle, tout à l'heure, grâce, les démarcheurs, ils sont là. Les démarcheurs, eux, ils ont même leur syndicat qui est là, le Sinaï. Quelqu'un qui vous rend un service, vous, avez, vous devrez normalement lui payer euh, son service rendu ok Mais monsieur eh, Isaka, comment anya dole ne tilas ne yanzu ka ba comment ça normalement les démarcheurs comment ça se passe s'ils te cherchent une maison les démarcheurs eux normalement ils vont vous dire na gida mhm. vous allez me donner 10 000 francs pour les frais de machin de, euh, déplacement mhm. si la maison vous convient, ça dépend de comment est-ce que vous allez vous entendre avec le bailleur. Ni vous allez me donner la, euh, la somme équivaut à un mois de loyer. Si ça vous va, vous acceptez. Au cas échéant, vous allez négocier avec les démarcheurs. Le démarcheur n'a pas de prix fixe. Thomas masu sauraro kafin mu dawo don ci gaba da wannan tattaunawa ta mu da abokanmu na yau za mu shakata da wannan faifan da muka zaɓo muku saboda wannan jigo na yau wato waƙan Malam Jos dan Maraya wanda ake ce ma matsala a gidan haya. Kai gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya, Allah ba shi wuri ya yi nashi, ko babu kuɗin buga kwano ya samu ko shimci ya zuba sama, in kai haka ka hita ƙargage tun da ka huta da biyan haya. Gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne zaman haya. kai ga ka gidan haya, wancan ga shi gidan haya, waccan ga ta gidan haya, ku duka kun gamu kun haɗe, in kai kana da dangana kila wancan baya da dangana. Matsal ko da kun kai ku tara, makewayen ku guda ake, matar wancan ta shiga. Matar wancan na jura, kai kuma ga ka kana jura shi ne matsalar zaman haya. in kana a gidan haya masar ka ba ta da walwala masauraro bayan mu huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗu a fada akan maudu'in namu na yau wato rashin baiwa gauraye wato celibatiyar ɗakin haya koko hamma da zaurawa shin miye hujojin Yanzu za mu ci gaba da wannan hirar tamu, mai cette fois-ci, nous abordons les principes de morale de croyance culturelles. Nous les avons effleurés tout à l'heure. que euh, des bailleurs utiliseraient comme motif de refus d'hébergement aux personnes seules. Monsieur Isaka, est-ce que c'est la peur de dépravation de valeurs et mœurs euh, des autres locataires mariés ou de leurs enfants que vous refusez de donner euh, des maisons en location à des célibataires eh, en fait nous, avons de muke comme on dit généralement, euh, l'homme marié, c'est surtout celui qui a ses enfants-là, il fera tout pour honorer ses engagements et payer sa loyer. Musa bodu kudi muke sa dakin mu euh, a haya. To, mu zo mu sa wani abun nan goboro cikin gida wannan shi da yana iya yayi wata biyu wata uku bai biya kudin haya ba. Wannan lon mariya là qui peut un mois ou bien à défaut deux mois à payer sa loyer, son loyer là musa goboro cikin gida goburan nan ya a shi kwana ko ya yi wani abu da yake lalata yaransu mhm. ce qui est bon à cause de cela ils vont quitter la maison hein. là donc on a déjà perdu un client potentiel mhm, mhm, c'est pour ce genre de vraiment il y a tout ça là comment euh, en réalité, hein, mhm. il y a des célibataires sous un son chicken gida. Non seulement ils vont empêcher les autres là de dormir, mhm. et ils vont amener tout ce qui est comme camarades, copines et tout, pour venir se mettre la pagaille dans la maison. Mhm. La religion l'interdit. Ni une nation, wani abun da bai da kyau euh, da ya hana. après je peux me repentir in roki Allah ya gafarta mini to lalantar da ban yi ba in sa mm-hmm. wani cikin gidana ya zo ya yi mm-hmm. ni ban yi ba amma duk abin da ya yi tun da jele a kumfanye an lidonan ma maison kenan kai ma sa kaga kamar da ka ciki kenan akwai lahina ciki mana mm-hmm. c'est ce que dit la religion normalement si vous aidez quelqu'un à faire du mal la personne va commettre ce mal et vous aussi vous aurez le même châtiment donc il y a tous ces fléaux-là qu'il faut vraiment essayer de voir. Moi, je pense que le célibataire, quand il est vraiment honnête et sincère, il peut rester dans n'importe quelle maison. Grâce, je reviens vers toi. Tu ne comprends pas trop ça, donc je vais t'expliquer en français. Monsieur Issa ce qu'il vient de dire, c'est que lui, vraiment, il préfère donner sa maison. Il revient sur la question d'argent à, à un monsieur qui est marié parce que lui, au moins, il sait qu'il est là, c'est un client potentiel. Et les célibataires peuvent amener leurs amis, leurs copains, leurs copines, faire la pagaille, empêcher les autres de dormir et tout ça. Là, qu'est-ce que tu penses de ça Moi, je, pense que ce n'est pas normal. Si construisent et qu'ils mettent que c'est célibatérium, c'est pour tout le monde, au fait, y compris les, célibataires. Il y, a, il y a, aussi certains célibataires. C'est vrai qu'il y a ceux-là aussi des comportements vraiment qui, qui, sont pas acceptables. qui ne sont pas acceptables. Mhm. Mais il y a les nous aussi qui avons des nous, bons euh, comportements. <laughs> Tu dis les nous, nous on n'est pas sûr. <laughs> Non, il y a les nous, faut, faut être sûr, que ah, voilà. Il y a Donc les... toi, tu ne te reproches rien quand tu es en colocation. Rien. Je ne me reproche rien. On vous a jamais rien reproché pendant vos colocations pour dire voilà, on a vu des garçons sortir, non. bien de la musique, des trucs comme ça Des musiques, il y en a il y en aura, mais faut faut savoir quand même, faudrait qu'il y ait qu'il y ait des limites au fait. Mhm. Tu tu mets quand même la musique juste pour ta maison, juste pour toi, juste pour te distraire et de tout. il y a des gens ils, ils, peuvent mettre la musique chez eux mhm. et puis tu tu es à la deuxième, troisième maison, tu, tu peux écouter la musique. C'est ça qui n'est pas bien au fait. Faut mhm. faut savoir que la la comment on appelle oui, oui, la cohabitation, faut savoir euh, le savoir vivre ensemble. Mhm, mhm, mhm. faut, faut avoir des limites dans, dans, dans tout ce que tu fais, au fait, c'est so. ça. Malam Tiken, kana ta murmushi tun zo ana magana kana murmushi to yanzu na dawo ta bangaren ka zan baka damar magana. An dai ce célibataire ga dai abun da suke yi, ku can wajen university wajen agoban da inda kuke luwan gidaje, kuna kai 'yan mata kuna hana makwabta dadi ko kaka ne? Bon, moi je pense que tout ça là, il faut juste eh, retourner au dire de, du, du, vieux juriste. Maître vient de parler et quand il dit tout est basé sur cette liberté contractuelle, je pense que c'est cela. J'ai ma maison, je dois mettre à location, que tu sois célibataire ou marié, mais je te prends, je te dis voilà mes conditions, on n'écoute pas la musique chez moi. Alors ça s'arrête là. Tu mets la musique, on rompt le contrat la vie privée, mhm. la vie privée du locataire. est protégée. En tant que bailleur, je clair avec le locataire, mhm. ne m'amène pas des filles, etc. Mhm. Mais même s'il le fait en cachette, Dieu ne t'en veut pas pour ça. Ah, <laughs> donc, oui, donc vous pouvez amener si il le fait, on est en matière d'affaires le portail quand non, même. Il y a même un souci. C'est qu'on on est en matière d'affaires. <laughs> Est-ce ouais, non. Vous, on essaye de négocier votre affaire, vous voulez nous créer des problèmes. Grâce, on parle de, dépravation des meufs. je veux entendre ce que, <laughs> ce que tu as à dire. Dans tous les cas, on, est, on dit Nyame, Nyame la cour commune. La cour commune, oui. Donc, euh, <laughs> quel que soit ce que vous allez faire en cachette, nous le saurons. Ah, c'est pas tout, c'est pas, pas tout, c'est pas tout, on sait. Hein. Non, et c'est simple. Hein. Non, non, non, et c'est simple. À partir de là, n'est-ce pas, on revient sur le contrat, sur les clauses initiales ça s'arrête là. C'est très simple. Je pense que ce n'est pas compliqué. Vous savez, camarade, et eh, le, le, plus important, c'est qu'ici à Niamey, c'est facile pour un étudiant d'avoir une maison en location. Moi, personnellement, je vous raconte, en 2012-2013, je faisais ma première année à l'université d'Ottawa. On avait pris une maison de trois chambres salon en location. Le monsieur s'était rendu compte que c'était nous qui avons pris sa maison à location. Directement, il a retoqué. Kay, kune, kenan kune kuka dauki gidan da yake kusan a eh, oui, oui, Automatiquement, il a appelé le monsieur pour lui dire ga yaran sunzo ga zo kasuwa, je leur remets leur argent. Ban ba gidana haya. Allah sarki. Je suis resté chez un frère pendant 4 mois avant d'avoir une maison à location. Là aussi, c'était, c'était vraiment en complicité avec un cousin policier qui, lui, lorsqu'il quittait la maison, a informé son euh, euh, bailleur que lui il, part il part en mission donc il va laisser son frère dans la maison mhm, mhm. et c'était comme ça que je suis resté dans la maison donc le problème étiez étudiant on vous a refusé la maison c'était donc pourquoi vous étiez célibataire ou bien parce que vous étiez étudiant c'est parce que j'étais célibataire et étudiant en même temps du coup maintenant vous aussi vous louez des maisons vous ne donnez pas aux célibataires non, ça, <laughs> au lieu de les aider <laughs> <laughs> Oui, en Il fait. faut lui répondre grâce. En, fait, moi, dans, mes dires, j'ai toujours dit hein, qu'avant de louer nos maisons, on, on, se, on se renseigne d'abord sur la personne. À qui est-ce qu'on va céder notre maison Moi, je n'ai pas dit qu'on refuse formellement. Parce que non, mais vous n'acceptez pas quand même. Vous avez dit, vous avez dit que vous n'acceptez pas. On ne peut pas. on ne peut pas prendre nos maisons et les octroyer à des inconnus qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire dans nos maisons. Non, la mais la personne peut être de bonne foi et mhm. puis la personne qui l'a amené mhm. après peut tout gâter. Oui, si la personne gâte, maintenant la personne l'a gâté pour, pour, tout le monde. Mais si vous gardez vous, c'est un risque. C'est un risque. Mais faut pas quand même refuser tout le monde. Parce que... Non, on ne peut pas. Vous savez, vous savez, là, on est en train de parler entre nous, mais à certaines têtes, dès qu'ils se pointent là, on sait que vraiment ces gens, ils sont vraiment euh, bons à, accepter et on peut, on peut les accorder la maison. Monsieur Isaka, maintenant si Grâce arrive comme ça avec sa tête, vous allez lui donner une maison Elle, sincèrement, moi, je ne peux pas. <laughs> Comment ça on vous a refusé maison en 2012, Et vous me refusez maison. Voilà, la personne qui m'avait qui, qui refusé sa maison là. Qu'est-ce qui, vous pousse à me refuser la maison Voilà, merci beaucoup. Parce que mon physique, c'est mon physique, mais est-ce que vous connaissez ce que ce qu'il y a en fond ah, Vous m'avez posé une question, laisse-moi répondre d'abord. C'est à cause de votre physique là que hmm. je veux refuser. Pourquoi Je connais les gens, les, étudiants d'abord. Les étudiants, dès qu'ils voient une nouvelle fille, une étudiante qui est là, qui a une belle physique comme vous, yes, ils vont pas la laisser tranquille. Ils vont tout faire pour te suivre chez toi. Euh, votre comportement aussi, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc on juste parce on que attirer des, regards, est-ce que c'est de ma faute Bon, c'est pas de ma faute. Voilà. N'est-ce pas Mais dans tout ça, moi, je veux avoir la réaction de grâce. Est-ce que tout cela te déçoit Bon, oui, un peu. Ça, ça me déçoit. Pourquoi Parce que mon physique, seulement mon physique ne peut pas empêcher à quelqu'un de, de m'accepter dans sa maison. Je paye la maison comme tous les autres je peux aussi respecter les conditions qu'il peut donner et tout et tout, mais mon physique ne peut pas quand même l'empêcher de, de, me donner la maison. Si je remplis les critères. Ah, cette discussion-là, si on continue, Donc, euh, avant de conclure, nous allons d'abord accueillir Seno 50% et sa chronique du jour qui parle des causes d'incendie avec ce vent qui souffle ces deux jours. Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet d'actualité qui préoccupe les populations, les incendies. Ces événements tragiques ont des conséquences dévastatrices sur l'environnement, sur les communautés et sur l'économie. Dans cette chronique, nous examinerons de près les principales causes de ces incendies afin d'envisager des solutions. Commençons par les conditions météorologiques extrêmes. Le Niger, tout comme les autres pays du Sahel, est confronté à des conditions météorologiques extrêmes notamment avec des températures élevées et des périodes de sécheresse prolongées. Ces conditions rendent notre pays particulièrement vulnérable aux incendies. Ensuite, il y a les activités humaines imprudentes. Les activités humaines imprudentes jouent un rôle majeur dans la survenue des incendies. L'effet des de cuisine en plein air, une mauvaise manipulation des gaz domestiques, les mégots des cigarettes jetés par des fumeurs, les feux de chauffage mal éteints, les courts-circuits électriques ou encore la préparation des terres agricoles peuvent rapidement échapper à tout contrôle et se transformer en incendie incontrôlable. Ensuite, la déforestation et le changement climatique. La fragilité des écosystèmes accroît le risque d'incendie. Dans notre contexte ici au Niger, l'armatan et le vent favorisent la propagation des incendies. En conclusion, cher ami jeunes de la FADA, on peut dire que face à cette situation alarmante, il est impératif d'agir rapidement et de manière coordonnée pour prévenir ces incendies. Cela implique une sensibilisation des populations au risque d'incendie, de renforcer les capacités de lutte contre les incendies et de promouvoir la protection de nos précieux écosystèmes. En unissant nos forces, nous pouvons nous protéger des ravages des feux d'incendie. Merci de nous avoir rejoints pour cette chronique. On se retrouve demain pour parler des méthodes préventives sous le vent et la chaleur. Merci Seno haka ne uwa matasa a nan muka kawo karshen shirin namu na wato na a fada na maraicen wannan ranar Asabar Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Monsieur euh, Issa Kajubo, il est propriétaire bailleur. Nous avons aussi euh, Grace Beati, jeune étudiante euh, locataire. Et nous avons également Monsieur Hussein Imam Salissou, alias Tiken, il est aussi étudiant. tare da su mun tattauna akan matsalolin da marasa aure da zaurawa duka dai suke fuskanta yayin neman ɗakin haya a yamai mun ɗauko zancen rashin aurensu da ke kawo cikas suna kuma haddasa matsala da zancen ba da wani kasafin kuɗi kafin shiga cikin gidan eh, da ke zama kuma wani bi kalubale sannan kuma mun taɓo zancen eh, jita-jitan cewa ko za su iya gurɓata tarbiyyar yaran sauran mutanen gidan a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma gobe idan allah ya kai mu inda za mu sake dawo muku da wannan jigo amma akan wani jigo daban a turanci kuma da zabarmanci tare da Malam Habibu Garba. Kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen Studio Kalangu mu huta lafiya.